C'est bon. Donc, euh, nous avons reçu aujourd'hui à Yoff Monsieur le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Monsieur Chati Diaye, accompagné du préfet du département de Dakar et du sous-préfet des Almadies. Donc, euh, il a effectué une visite au niveau du centre, de Santé Philippe Maguilène Senghor, en présence du maire de la commune et de l'équipe municipale, en plus euh, du médecin-chef du district du district auquel appartient Philippe Senghor. Donc, il a été exposé les difficultés auquel Philippe Senghor euh, est exposé depuis des années. Effectivement, l'année passée, il y a eu des travaux qui ont été faits. Et maintenant, il reste à engager la seconde phase, à savoir un dédoublement du canal à juste jusqu'à la rue Baidemeng et jusqu'à la plage. Donc, on a ça a pris des engagements, à savoir procéder à un tamponnement euh, des eaux usées qui sont sur le réseau. Et c'est un travail qui a été entamé et nous en remercions ONAS pour le respect de ses engagements-là envers les populations yofoises. Donc maintenant, il reste à ce que nous, populations de Yoff, que nous puissions, en parfaite intelligence avec les autorités de l'État et ONAS, voir comment démarrer la seconde phase, à savoir le dédoublement. Donc il a été posé la question euh, du renouvellement de l'ancien canal qui commence à s'affaisser. Donc toutes ces questions-là ont été posées au, ministre qui a été très sensible face à ces doléances-là qui ont toujours été portées par les populations yofoises. Donc très bientôt, une, équipe de la mairie de Yoff se rendra à l'ONAS en compagnie des représentants des populations pour vraiment amorcer euh, la seconde phase du projet, à savoir le dédoublement pour tourner définitivement cette, euh, cette page-là d'inondation de Philippe Senghor. Et il faut noter les actes salutaires posés par le n'est pas passée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la mairie était sujet à des inondations, Ouest-Foire était sujet à des inondations, de même que le pont euh, de Philippe Maguelen. Donc cette année, cela n'a pas été constaté. Donc nous osons espérer qu'avec la suite euh, du projet, on pourra définitivement résoudre ce problème. Écoutez, moi je voudrais simplement me réjouir de ce que je vois ici, euh, surtout cette collaboration entre la mairie euh, de Yoff et les services de l'État, notamment l'ONAS. Monsieur le maire, je voudrais vous, vous féliciter, vous remercier, euh, vous euh, encourager à poursuivre dans cette démarche d'inclusion et de partenariat. J'ai constaté que vous étiez déjà très avancé avec l'ONAS sur les travaux nécessaires, qui sont des travaux structurels ou structurants qui permettront de régler les problèmes dans le long terme. Ces travaux sont, sont en cours, avancent bien. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour vous accompagner. Euh, je vous encourage, à, comme vous l'avez déjà décidé avec ONAS, de vous réunir assez rapidement, de vous entendre sur quelque chose, et je vous accompagnerai, euh, je vous accompagnerai assez, assez rapidement pour que vous puissiez mettre tout ça en œuvre. Je voudrais également euh, euh, dire nos encouragements à Monsieur le directeur de, de l'hôpital, euh, à tout son personnel, et vous dire que nous serons à vos côtés euh, je l'ai déjà dit un peu partout, parce que j'étais à Kaoulag hier euh, toute la nuit, quasiment parce que j'y ai passé la nuit. Ce matin, j'ai aussi fait d'autres visites pour euh, être au chevet des populations et les soulager. Le message que je leur ai délivré, c'était effectivement que pour cette année, nous ne pourrons que faire des mesures d'urgence pour soulager. Et aussitôt après l'hivernage, nous irons vers des mesures plus structurantes, plus, plus durables. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi ici à Dakar, quand je suis arrivé tout à l'heure je me suis rendu à la zone de captage pour regarder l'état d'avancement euh, du bassin qui est en train d'être élargi, nettoyé et, focardé pour qu'il ait une plus grande euh, capacité de stockage d'eau et aussi euh, stabiliser davantage et préserver, protéger les, les, murs pour que la population, surtout les enfants, n'y arrive pas. Et ici à Yoff, je suis encore plus rassuré. C'est vrai, on a eu beaucoup d'eau dans l'hôpital mm. hier. Sans doute, malheureusement, il en sera encore le cas aux prochaines pluies qui arriveront mais ce que je leur ai dit, c'est de tout faire pour renforcer la capacité de pompage, pour que même quand l'eau rentre dans l'hôpital, qu'elle ne reste pas longtemps et qu'en en augmentant la capacité de pompage au bout d'une heure, deux heures, etc., que toute l'eau puisse être drainée hors de l'hôpital pour, euh, pour libérer l'hôpital qui doit être en, en service continu. C'est un hôpital extrêmement important pour la communauté yofoise dont je fais partie, parce que j'habite juste ici à Ouest-Foire, je connais bien cet hôpital et Monsieur le maire et mon maire, et donc que l'hôpital euh, s'en sorte, que l'hôpital soit préservé. Voilà plus de 20 ans que chaque hivernage, on parle de, des inondations dans Philippe Maguilène Senghor. Euh, on va tout faire pour soulager cette année, mais pour l'année prochaine, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et tout ce qu'on aura à faire, ça sera un mauvais souvenir. Je voudrais vous encourager beaucoup. Euh, je voudrais aussi, la, Madame la Secrétaire Générale de l'ONAS est ici présente, vous avez déjà échangé. Et continuez dans cette voie de la collaboration, et surtout, euh, comme vous avez déjà commencé à le faire, restez toujours collé aux préoccupations des populations. Parce que lorsqu'ils comprennent euh, l'intérêt d'un projet, pour eux, lorsqu'on les associe et qu'on les implique bien en amont, en général, ils deviennent les plus euh, grands porteurs de ces projets. Et ça va vite. C'est une population qui est très brave, qui a conscience des, enjeux du moment et de ses intérêts. Quand on l'implique dans ces, dans ces projets, elle répond bien. Donc, c'est pour vous remercier encore une fois. Monsieur le préfet de Dakar et Monsieur le sous-préfet de Ngor Almadi, je vous remercie également pour votre présence et vous dire que nous serons présents à chaque fois que ce sera nécessaire pour continuer à aider, à soulager et je serai votre euh, porte-parole au sein du gouvernement pour que les solutions ou les moyens nécessaires pour appliquer les décisions euh, sur lesquelles vous vous serez entendu, que là on puisse vous trouver les moyens pour le faire et avancer. Voilà, donc c'est pour vous dire que je suis euh, soulagé, euh, mais qu'en partie, puisqu'on rentre dans un hivernage qui sera pluvieux. Et on sait qu'après chaque pluie, on sera obligé d'être sur le terrain, mais nous sommes prêts. Hein, nous tous, nous sommes prêts pour y aller, pour euh, aider la population à, à vivre un hivernage plus ou moins, euh, euh, disons, en tout cas meilleur que, que les précédents. Et puis, Inch'Allah, aussitôt après, là, on pourra aller, aller vers les, les bonnes solutions que nous mettrons en œuvre merci beaucoup waaw xana di di niou rek ak gërëm ndaxte fi ma taxaw ci Dakar moy buntu hôpital Philippe Maguilène Senghor euh, laata may ñëw fi dama jaar aussi ci zone de captage ndax euh, démb maa ngi woon jóge Saint-Louis le matin dem fanani Kaolack Kaolack gis ngeen li fa xew ko di ay inondation yu metti quartier yu bari amone ay jafé jafé Euh, ci guddi gi yëpp ak service yi ñu nekkoon sur le terrain di leen dimbali tey bi ñu xëyee yàlla def na ak dispositif bi ñu fa def lu bare commencé na wàcc am na kër yoo xam ne ma koy dugg démb dañu xuus ba yegg ci biir néeg tey bi ñu ma yónnee euh, vidéo ak ci yi ma mënoon jaar ba seetiwaat leen gis naa ne ndox mi wàcc na ba bi ñu dugg ñoom ñu ngi bale seen ay kër euh, loolu nag la ñuy continuer parce que dañu yokk matériel de pompage yi yokk tranchée drainante yi nga xam ne la gas pour mu génnee ndox mi loolu nag fii ndakaar aussi fépp fu amoon ndox

Euh, bokk na ci site Dakar biñu euh, euh, comité national de gestion des inondations ba Dakar présenté site yi gëna a ci biir dëkk bi fi na ci ëpp na ñaar at su ngeen hôpital bi amna loruna ci ay inondation té hôpital nak xam ngeen ni inondé ba mu hôpital bu taxaw di bu le mon frère Eh, Sayyidina Isa nga xam ni eh, du rek meeru Yoff sama Merle la parce que man Yoff bi laa dëkk eh, fii ci Ouest Foire mais ci taxawaayam ci ci li nga mu ngi koy ak ONAS ba commencé ci def ay résultats ndax am na fi projet bu am solo bo xam ni ñoo ngi ko commencé di liggéey projet boobu ci ay at ci ginnaaw lu mel noonu amoon na fi waaye askan wi nanguwuñu ko woon nanguwuñu ko parce que waxuñu leen ko ba xam ko waxuñu leen seen te leen ci solution technique indi rek ne leen def aw askan nag boo ko bëggee dimbali boo ko bëggee indil lu baax même lu baax da nga ciy waxtaan ak moom ba mu noppi ba mu xam li nga indi lan la lan lay jëriñ moom lu mu ciy joué comme rôle. te xam nga ni suñu mbokk yi fii ci Yoff itam ñoom doo jam naa ni léegi mm-hmm. il faut nga wax ñoom ba ñu xam li nga bëgg ñu doog ko nangu moom nag bi mu ñëwee intelligence sociale bi mu àndal waxtaan nag population bi ba lu ci bari nangu nañ ko ba ñu ngi ci ànd li ci des rek mooy mu ngi waxtaan aussi ak ONAS euh, dinañu gisante ci fan ñoom ñëpp ñu waxtaan. Dégo, té luñu nous rek man ko ci dinañ ko appliquer mesure pour que hôpital bi ñu soulager ko bu baax baax nga xamni ndox yi doon am ci zone bi avons ñu ñu ñu ba am euh, niyu aussi di gërëm bu baax euh, ki nga ne directeur hôpital bi ak personnel am di leen massawu Nous parce que des rek xamna ni metti won na avons euh, di leen wax ni avons yu des jafé Nous lépp luñu mën déjà avons, dina des capacité pompage indi ko fi ci ci euh, fan yii rek de de suba incha allah ci station bi pour nga xam ni ndox mi bu duggee ci hôpital bi itam diir bu gàtt rek ñu pomper ko génnee ko comme ça nit ñu mën a nekkaat ci jàmm. kon may euh, sant di gërëm di leen wax ni nawet bi comme ni ma ko waxee fépp nawet buy xaw a euh, metti la ci ñëpp ndax météo nee na ndox dina bari loolu nag ñun ñëpp dañ ciy sant yàlla parce que dëkku béykat lañu bu ndox baree rek alhamdulilah. donc loolu nag dina indi aussi jafe ci askan wi mais nañu xam ni fépp fu mu am ñun duñu yendal duñu fanaanal. dinañ indi euh, ak service technique yi euh, ONAS wa sapeur pompier ñu ngi def liguey bu reuy armée nationale ñu ngi def liguey bu reuy te service yi dépend sama ministère yëpp dama leen ni bép gox bu ngeen di intervenir bu ngeen démé ñi ngeen faw njëkk wara joxanté loxo ce sont les maires parce que yéen da ngeen bëgg def ci askan wi ñom la askan wi fal ñu teg nekk fa mbiru inondation président de la république wax nako ko mbiru citoyen la ça n'a rien de politique fépp fu ngeen dem oublier pouvoir ak opposition nek leen ay citoyens sénégalais ndax ñi ñuy dimbali ci kër yi du ñu fa fekk kenn di la laaj foo bokk ak foo bokkul da nga nekk ci naxar ak jafe-jafe dañ la war a xeetali en tant que état en tant que collectivité locale approche boobu laa bëgg ñu ñu jàpp si ku nekk nga xam ne tu es une part de la solution te ku nekk si tu fais un peu de ce que tu dois faire rek incha allah dana dimbali suñu askan bu baax maa ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, et à très très bientôt monsieur le maire kon euh, jërëjëf